et auditeurs, bonjour. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Salamatou Kadri et avec moi Mariam Ade. Bonjour Mariam. Bonjour Sali. L'édition est assurée par Raila Toussoumana et Adama Danwaki. Et à la technique, nous avons ce matin Amina Hassan. Les femmes sont aux commandes aujourd'hui. Bien sûr. Au programme ce matin, nous débutons avec le flash d'information. Après, vous suivrez l'entretien du jour avec notre invité. Nous recevons monsieur Hassan moumouni responsable de programme OEA au Comité international de la Croix-Rouge CICR. Pour l'écho des régions, nous irons à Dosso, plus précisément à Gaïa, à la rencontre d'un groupement féminin qui se base pour euh, préserver notre écosystème. Nous parlons éducation numérique de la rubrique hebdomadaire du jeudi. Ousmane Mahmoudou nous édifiera sur le démantèlement d'un groupe de cybercriminels. Restons avec nous pour savourer également de la musique 100% nigérienne et nous allons boucler cette édition avec les messages des auditeurs. Prêt pour le décollage C'est parti Chers auditeurs, voici le flash d'information. Il nous est présenté par Rafika Atter. Bonjour Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez alors, à la une ce matin, le ministère nigérien du Commerce et de l'Industrie a fixé les prix pour le sac de 25 kg de riz importé. Le prix le plus bas du riz s'établit à 13 500 francs CFA et le plafond à 14 375 francs CFA selon les régions. Les agents des impôts, des douanes et toutes les autres administrations sont mis à contribution pour vérifier et enquêter pour le respect de l'arrêté. Le ministère du Commerce avertit que tout contrevenant à cette décision décision risque d'éventuelles poursuites devant les services compétents à la matière. Le ministère de l'Éducation nationale a aussi, dans un communiqué rendu public hier, instruit tous les responsables du niveau déconcentré à suspendre l'organisation des kermesses dans tous les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Toutes les activités culturelles dans le cadre scolaire doivent être approuvées et encadré par les responsables des établissements. Les raisons évoquées sont la dépravation de nos mœurs à laquelle s'adonnent les enfants pendant les activités culturelles. Enfin, le chef hors de nos frontières, l'ancien chef d'État nigérien, le général Yakubu Jack Gowon, a appelé hier les dirigeants ouest-africains à mettre de côté leurs divergences et à se réunir pour la paix, la stabilité et la prospérité de la sous-région. Gowon a également appelé à la levée de toutes les sanctions imposées au Burkina Faso, à la Guinée, au Mali et au Niger. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci, beaucoup, Rafika. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous sommes avec M. Hassan Abdelmoumouni, responsable de programme eau et habitat au Comité international de la Croix-Rouge à CICR. Bonjour, M. Hassan. Bonjour, madame. Avec vous, nous allons aborder la question de l'accès à l'eau pour les populations en zone de conflit au Niger. Mais avant, on va d'abord à kiffer le son Nyazeno de NIFA 6914. maza, maza, maza, maza. Put your machine. Chers auditeurs, Niazeno est le titre que vous êtes en train de kiffer du groupe de rap nigérien nipso 914. Cet acronyme est l'ensemblage des initiales des prénoms des membres du groupe. Ils s'inspirent de leur quotidienne et de la grande richesse culturelle africaine pour faire bouger leurs fans. What's up? What's up? Chers auditeurs, c'était le titre Niazeno de 9 à 14 Rétro Studio pour entrer dans le vif de notre sujet. Dans cette première partie, il s'agira des conséquences des conflits armés dans le bassin du lac Tchad, dans la région de Difa, du Liptako Gourma, dans la région de Tilabiri et le Nord Tawa, impactent le quotidien des communautés affectés. Cette situation entraîne une forte pression sur les services sociaux de base à santé ou éducation déjà précaires et dont l'accès devient de plus en plus problématique. Bonjour, Monsieur Hassan Abdul Bonjour madame. Vous êtes le responsable du programme OE Habitat au Comité international de la Croix-Rouge à CICR. Faites-nous une brève présentation du CICR au Niger. Euh, donc merci beaucoup donc, de l'opportunité que vous me donnez pour parler des activités du département OE Habitat. En fait, les CICR signifie Comité international de la Croix-Rouge. Donc, c'est une organisation humanitaire qui travaille dans des situations d'urgence au profit de populations affectées par le conflit. Donc, les, les actions du CICR ne dépendent pas de ton, de ethnie, de ta race, de ta religion, de ton parti politique ou de ton appartenance sociale. Pour revenir au département eau et habitat, le département eau et habitat, fait partie du département assistance du CICR. Elle est essentiellement composée des ingénieurs qui travaillent inlassablement donc pour apporter soutien et assistance aux personnes affectées par le conflit en matière d'accès à l'eau et d'autres infrastructures essentielles pour ces populations affectées. Alors, à euh, quelles sont vos zones d'intervention au Niger Le CICR à travers son département ou habitat, intervient pratiquement dans les régions qui sont affectées par le conflit. Il s'agit euh, principalement de la région de Difa, la région de Tawa et la région de Telaberi. Donc nos actions euh, se concentrent sur, euh, en réalité pratiquement sur, trois programmes. Donc il y a un programme qui vise à améliorer les services essentiels de la population en termes des infrastructures d'eau, des infrastructures de la santé, de la sécurité économique, santé environnementale et l'autre réponse à l'urgence en termes de donation des kits d'eau et des kits d'hygiène. Nous avons aussi un grand programme en cours actuellement à DIFA qui vise à améliorer l'accès à l'eau des résidents et des déplacés dans la ville de DIFA et C'est un programme que nous essayons d'implémenter en partenariat avec la SPEN et la Direction régionale de l'hydraulique, avec une très forte implication de l'autorité administrative et de la société civile. Nous avons aussi un autre programme qui est axé sur l'amélioration des conditions de vie en termes des, en des infrastructures de personnes privées de liberté. Là, c'est des activités que nous menons en partenariat avec les autorités pénitentiaires dans les lieux de détention que les CICR visitent. Nous avons aussi un, troisième programme qui est dédié à l'amélioration des infrastructures hospitalières et médico-légales et autres infrastructures au profit de personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire de personnes qui souffrent des handicaps naturels. Et comment vous travaillez pour mieux connaître les besoins des communautés dans les zones où vous intervenez oui, je pense que cette question, c'est une question très pertinente. En fait, pour mieux apprendre le besoin de, communautés dans les zones où nous intervenons, avec la Croix-Rouge nigérienne, effectivement, qui est un partenaire du, mouvement, donc nous avons mis en place plusieurs approches et méthodes. Donc, euh, au cœur de notre stratégie globale, nous plaçons les communautés au centre de l'action humanitaire en mettant un accès particulier sur leur participation active en tant que bénéficiaires. Nous entretenons un dialogue direct et continu hein, avec elles à travers euh, divers canaux où elles peuvent nous informer de leurs difficultés et besoins. Nous engageons aussi des discussions ouvertes avec les membres de la communauté pour euh, comprendre leurs préoccupations et leurs besoins. Et nous collaborons avec eux pour trouver des solutions adaptées à leur réalité, tout en tenant compte aussi des limites et euh, aussi de nos capacités financières. Ça, je pense c'est important de le dire. Il y a aussi des zones là où on n'a pas accès. Là, on essaie aussi de, travailler avec, euh, avec les bénéficiaires de façon indirecte en se basant plus sur les autorités qui sont sur place, qui nous partagent les informations et on essaie d'avoir euh, de, croiser les informations pour pouvoir apporter des solutions qui répondent aux vrais besoins de ces populations. Voilà, chers auditeurs, avant de poursuivre nos échanges avec notre invité, on écoute Aïcha de Ali Atibli. God. voilà, chers auditeurs, Aïcha est le titre que vous venez d'écouter de son vrai nom, Ali Oumourou, alias Ali Achibri, qui déclare son amour à sa bien-aimée Aïcha. Après cette balade musicale, nous allons passer à la deuxième partie de nos échanges avec notre invité Hassan Abdelmouni du programme Eau et Habitat au CICR. Alors Hassan, dites-nous, l'accès à l'eau devient de plus en plus problématique dans les zones de conflit. Quelle est la contribution du programme Eau et Habitat au CICR euh, merci beaucoup. En fait, les CICR, euh, à travers son département eau habitat, offre un soutien concret visant à améliorer l'accès à l'eau potable aux populations affectées par le conflit armé et ses conséquences. Donc, c'est des activités que nous réalisons. Euh, de, façon concrète, donc les activités que nous réalisons, ce sont pratiquement la réhabilitation ou bien construction des systèmes d'approvisionnement en eau, tels que des puits, des stations de pompage pastoral, des pompes manuelles, des postes d'eau autonomes, ou bien des mini-addictions d'eau potable. Il y a aussi des addictions d'eau potable, des équipements de traitement d'eau, tels que les pompes dosage, des sources d'énergie, là on utilise le plus souvent le solaire ou bien le thermique, des réservoirs euh, ou bien des réseaux de distribution, etc. etc. Au-delà de ça aussi, nous, il y a d'autres activités que nous menons, telles que la distribution des kits d'eau et des kits d'hygiène en cas de déplacement d'urgence de la population pour leur dignité et leur permettre aussi de traverser le premier jour loin de chez eux, qui est une période très pénible pour eux. Il y a aussi d'autres activités que nous réalisons, telles que la réhabilitation ou bien construction d'autres infrastructures essentielles dans le domaine de la santé pour améliorer la prise en charge médicale de malades vulnérables, tels que les centres de santé intégrés, les hôpitaux, etc., etc. Il y a aussi des activités que nous menons relatives à la sécurité alimentaire, avec le renforcement de la résilience des éleveurs et agriculteurs, avec des réalisations de puits et jardins maraîchers, de magasins ou bien de banques aliments bétail, pour accompagner ces bénéficiaires vraiment à supporter tous ces chocs, etc. etc. Au-delà de ça aussi, on accompagne tous ces bénéficiaires avec des séances de formation et renforcement des capacités des autorités pour les aider à garantir l'hygiène et aussi à gérer les ressources en eau de manière durable. Voilà un peu de façon résumée de façon concrète les activités que nous menons dans les zones où on intervient. Et maintenant, à titre d'exemple, quel est concrètement le soutien aux communautés en termes d'accès à l'eau dans les zones affectées par les conséquences euh, du conflit armé Donc, euh, de façon concrète, pour, euh, pour dire ça, je pense peut-être, c'est juste pour rappeler, <coughs> peut-être en, 2000, en 2023, ce sont environ 150 000 personnes résidentes et déplacées qui ont bénéficié d'un accès amélioré aux services et aux infrastructures essentielles, qui a permis de renforcer leur protection contre les risques majeurs associés à la santé environnementale, à l'accès à l'eau, à l'insécurité économique et alimentaire. Donc, toutes ces activités ont contribué significativement à rehausser le niveau de vie de la population. Dernière question pour illustration. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez eu à faire au profit de communautés en 2023 en matière d'accès à l'eau potable et au programme au Niger Donc, comme je disais initialement, euh, euh, je vais le répéter. Donc, en fait, euh, en 2023, donc, ce sont environ 150 000 personnes, que ce soit déplacées ou bien résidents, qui ont bénéficié de nos infrastructures, que ce soit en matière d'accès à l'eau, en matière d'accès à l'assainissement, en matière d'accès à la santé ou bien en matière d'accès aux infrastructures agricoles. Donc voilà un peu de maçon résumé, donc un peu les activités que nous avons réalisées en 2023. Voilà, c'était Hassan Abdul Moumouni, le responsable du programme OE Habitat au Comité international de la Croix-Rouge à CICRA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, madame. Chers auditeurs, on revient juste après cette petite pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur kalango est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalango. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Aujourd'hui, dans notre chronique numérique, nous allons parler d'une opération policière internationale qui a durement frappé le groupe des hackers des hackers connus sous le nom de LockBit. Il est qualifié par Airpol de plus nuisible au monde. Bonjour Ousmane. Bonjour à tous. Alors, à que peux-tu nous dire sur cette opération Pour rappel, Ousmane Mahmoud est responsable du desk numérique du studio Kalango. Alors, donc, euh, cette opération, alors le groupe s'appelle Lockbit, et donc c'est un groupe de cybercriminels qui est spécialisé dans les attaques. Euh, par ransom euh, rançon Alors, c'est quoi un rançon Dans le rançon il y a le mot rançon et logiciel Donc, rançon, l'argent qu'il faut payer, logiciel mhm. logiciel classique. Donc, ça veut dire que les gens qui sont derrière ces outils malveillants vont saisir les données qui vont se trouver dans vos ordinateurs ou vos téléphones et vous exiger un paiement pour le déverrouiller après. Alors, si vous êtes une personne lambda, ça n'a pas. Euh, euh, ça, vous ne serez pas beaucoup, beaucoup inquiété. Par contre, si vous êtes une entreprise qui a beaucoup d'infos ou une banque dont les données sont saisies, ben, on est tout de suite appelé, euh, on paye, les entreprises malheureusement payent en général. Donc ces personnes-là, elles ont été repérées en 2019 pour la première fois et elles ont mené plus de 700, 1700 euh, attaques. Et ce groupe a été identifié comme étant le plus prolifique et le plus dangereux au monde par Europol, donc la police européenne. Ils auraient perçu euh, environ 91 millions de dollars, soit un peu plus de 60 milliards de francs CFA. C'est colossal. Qu'est-ce qui s'est passé récemment avec ce groupe Alors, c'est tout récent, c'est avant-hier presque, donc le 19 février passé, une euh, opération policière internationale qui appelée Chronos, qui a impliqué 11 pays dans le monde, parmi lesquels on peut citer l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Japon. Donc, cette opération-là aboutit au démantèlement du site principal de Lockbit. Euh, les forces de l'ordre britanniques, en coopération avec Europol, le FBI américain et d'autres agences de renseignement ont pris le contrôle du site, donc il n'est plus accessible actuellement. Alors Ousmane, quelles étaient les principales victimes de ces pirates informatiques Alors je le disais tantôt, Lockbit a visé des institutions principalement publiques, hôpitaux, mairies, consorts, euh, pour leur réclamer des centaines de millions de dollars comme rançon pour débloquer leurs leur Ils ont également ciblé des postes et beaucoup d'entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Et Asuman, quels sont les résultats de cette euh, opération Alors, l'opération Chronos a été un succès parce qu'elle a permis euh, la mise hors service de 34 de leurs serveurs euh, dans plusieurs pays et l'arrestation de deux membres du groupe en Pologne et en Ukraine. Et il y a eu aussi des mandats d'arrêt internationaux qui ont également été émis il y a eu plus de 200 portefeuilles de crypto-monnaies liées à euh, Lockbit euh, qui ont été gelés. Donc les, les portefeuilles, voyez ça comme des comptes bancaires. Et il y a eu plus de 14 000 comptes euh, non autorisés qui ont été fermés. Est-ce que cela signifie que Lockbit est complètement neutralisé Alors pas nécessairement. Bien que le site principal soit hors ligne, d'autres sites subsidiaires restent actifs. Et les experts mettent en garde contre un excès d'optimisme dans ce genre d'opération, puisque d'autres groupes de hackers euh, ont souvent réapparu après euh, des, opérations similaires. En effet, la cybercriminalité est un défi persistant. Que font les autorités pour aider les victimes de Lockbit Alors, pour aider ces victimes-là, les autorités des pays impliqués dans l'opération Chronos ont mis à disposition des outils de déchiffrage. cest à dire que si vous, vous avez été victime euh, de cette entreprise-là, il y a des outils qui peuvent vous permettre de retrouver vos données. Donc les outils permettant de récupérer les données corrompues par les attaquants sont disponibles sur le site web qui s'appelle No More Ransom. Merci Ousmane pour ces informations claires et précises sur l'opération Chrono et le démantèlement des Lockbit. Merci, à la semaine prochaine. Ah, C'est rassurant d'avoir que des actions concrètes sont prises pour lutter contre la cybercriminalité. Merci à ce moment. On te retrouve la semaine prochaine pour la chronique numérique. Au revoir. Bye bye. Chers auditeurs, pour notre troisième balade musicale avec le son Anine Kaina de Abdallah et de Fatima Rico. anin kana kochi yoga bara farandi anin kana aballa mola fani anin kana anin motogogo gini fo C'était là les titres Anilkaina de Abdallah et de Fatima Rico. Chers auditeurs, si vous venez juste de nous rejoindre dans cette émission, eh bien, dites-vous que vous n'avez rien raté car vous avez la possibilité de réécouter l'intégralité de cette édition sur notre site web à www.studiokalangu.org. À présent, place à l'écho de région. Et eh oui, Mariam, direction d'Osso où notre correspondant a rencontré le groupement féminin Gaudier Mata de Gaïa qui est composé de 20 membres. Ce groupement a entrepris une initiative de culture de pépinière. Ces femmes veulent revitaliser les espèces végétales en danger dans la région de Dosso avec un accent particulier sur Gaïa. Reportage de Fadel Alou, on écoute. Fondée il y a 13 ans, les femmes de ce groupement, qui se sont des années durant mis à accumuler des fonds pour leurs activités, se consacrent aujourd'hui à une nouvelle. C'est cette année qu'elles ont pris la décision de se lancer dans la culture de pépinière. Hajia Amina Lawali Bouzou, présidente du groupement Godia Mata, explique. Muna nan cikin wannan tarihi sai muka ga menene zami. Ole mu doka ana badawa ana kashewa ya kamata mu san abin da muka yi na amfani. eh gaba ɗaya mu muka ce gara ma mu zo mu dasa to yanzu muka samu agreement muna nan muna shawarwari sai muka ce to mu dasa itace dans le cadre de cette initiative, les femmes du groupement ont été formées pour mieux mener ce nouveau projet dans lequel elles se sont lancées pour la préservation de la biodiversité. Selon la présidente du groupement, tout est en bonne voie puisque quelques espèces sont déjà en pépinière, comme l'explique l'adjoint au directeur départemental de l'environnement de Gaïa, commandant Ouseni Haruna Souley. Une ressource consultative précieuse tout au long de cette initiative. Nous avons eu à répertorier jusqu'à une quarantaine d'espèces différentes. Présentement, donc, euh, on a à peu près une dizaine avec lesquelles on a commencé la pollution. Et que ces espèces-là, donc, maintenant, vraiment ont grandi parce que l'objectif visé, c'est pour que cette pépinière de ce groupement-là soit vraiment une pépinière de référence. Ça sera écoulé dans toute la région et si possible sur le plan national même, quoi, s'il y a des projets qui sont intéressés. La présidente des femmes du groupement Gaudier encourage les autres femmes à sortir de leur zone de confort et à contribuer activement à des projets environnementaux et sociaux. Bon, les femmes du groupement godiar Mata pratiquent également le maraîchage. Elles incarnent un changement positif et durable unissant la préservation de la biodiversité et le développement agricole pour forger un avenir plus équilibré. C'était les reportages à région avec Fadel Alou. Un coucou à tous nos auditeurs à deux dosso. On fait une petite pause et on revient juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, place à présent à la page sport avec Hassumi Gourouza qui est avec nous dans ce studio. Bonjour Gourouza. Bonjour Salamatou, bonjour Myriam. Bonjour Gourouza. Bonjour. Gourouza, le Niger participe aux Jeux olympiques de Paris 2024 en taekwondo que peux-tu nous dire sur nos ambassadeurs Oui, Salamatou, aujourd'hui je vais vous présenter le jeune Oumarou Ide Gabirou. Âgé de 25 ans, Gabirou est étudiant en deuxième année d'agronomie à l'université Abdoumoumouni Diofo de Niamey et tente de se frayer un chemin dans le taekwondo dans sa catégorie de 44 kilos. Il est spécialiste de taekwondo exclusivement réservé aux personnes en situation de handicap. Amputé d'un bras, Idé Umaru Jabiru a commencé ce sport en 2016 avec son grand-père, Maître Chou. Il a qualifié le Niger pour la première fois aux Jeux paralympiques. C'est pourquoi des voix se lèvent pour plaider en sa faveur pour une meilleure préparation pour les JO de 2024 à Paris, car les deux autres qualifiés nigériens, à savoir al Alfaga et Noureddin Issaka, sont partis aux États-Unis pour préparer les séances du Chio. Grouza par ailleurs soi, un centre Olympe Africa. Ah oui, Myriam, euh, l'inauguration a eu lieu hier mercredi par le ministre en charge du sport, le colonel-major Abdraman Amadou, en présence du président du comité olympique sportif nigérien El Haji Ide Isaka. D'un coût de 127 millions de francs CFA, ce complexe sportif de 8 hectares dispose de plusieurs installations et des espaces réservés au maraîchage. Il permettra d'ailleurs aux jeunes et aux dames de s'adonner à la pratique du sport et à d'autres activités génératrices de revenus. Voilà le sport aujourd'hui. Merci beaucoup, à chers auditeurs. C'était la page sport. Mariam, c'est qui la star du jour Il s'appelle Salus Mahmoud de Côté. C'est un jeune artiste un musicien qui aujourd'hui a gagné la confiance de plusieurs jeunes filles et garçons de la capitale de laïra. le fondateur de l'orchestre Mazandaga de l'Aïr, avec à son actif à cinq albums. Son portrait avec Moussa Maman. kiɗin maza daban da na mata wanda ba a yi ma rago. Salisu Mamoudou, dit de côté, a embrassé la musique dès son jeune âge. Il a commencé par le hip-hop avant d'intégrer l'orchestre Mazandaga. J'ai commencé la musique depuis ma tendre enfance en classe de CE1 à Zander. Au tout début, j'ai commencé par le hip-hop en 2013. Après toute réflexion, je me suis reconverti à la musique moderne nigérienne en créant mon propre groupe le 13 juin 2013. Nous étions environ 13 membres, tous jeunes et son orchestre Mazandaga de l'Aïr, Gaïla est revenu dans les cérémonies de mariage et baptême ou à travers d'autres événements culturels. Nous sommes sollicités lors des cérémonies et autres rencontres, moyennant de l'argent. Puis vraiment, on s'en sort bien, surtout l'affection que le public nous montre. En tout cas, on n'a jamais été frustré par nos femmes parce que tellement ils aiment ce qu'on fait en nous rendant visite, on reçoit des gestes symboliques de leur part l'artiste des côtés est nommé Chouchou des jeunes filles. Ce sont ses chansons pleines d'essence qui lui ont valu cette popularité. Le témoignage de Safia Amadou, l'une de ses fans. Il est très apprécié des jeunes et un de ses caractères, c'est qu'il peut répondre à une de nos sollicitations sans un franc. Cependant, il arrive à la vie moins de l'argent et malgré cela, il nous appelle après le spectacle pour nous remercier. Je dirais qu'entre deux côtés et nous, c'est le respect mutuel et la solidarité. Salut Soumamoudou, dit de côté, est marié et père de trois enfants. Chers auditeurs, après ce portrait inspirant, partons en musique avec Danelli et Kamikaze qui nous chantent Borkul Niyamagana. まアイビナムンディゼドヌガソネヤそげせまばアイゴガフォンゴワトケゴハロバンダオンダグランボトガラキデデダレディベスンデバダラ ኮይነ ሞ አይጌታ ሲንላይታ አረይደ ተለከተረ ደገተ ፊትላ አይጣይ ሞታ ገንገ ፎይጋ ኩሳ ከገዲ ቦነኒ ወይናጋ ንኩል ከጋ ና ቦንዴጋ ሎክቴራ ኩቤራ ቦሪያንገ ኩወይጋ ሄዳኒ ሊጋ ረስቧ ድርኮባንግ ማናማ ኦኬ so can I let you ask one for a cote? Choro, mate. Never follow, I go get up Alhamdulillah, ni gogati bata go gatte. What in the actual chimchi may walk it, go gaburu, the chechen, the love, the charban, and ninga, me, but my eyes say. Yamu, yamu, boafu, and this is Babi's hair. I'm a ine, father kulkara i pose. Harabitoga jai from a sipe. Amoraga kritike. Dani Liwo Sakaduru. magana yezo. Dihana no dilala no amenegana amenegana Hokulia magana waymo Dihana no dilala no amenegana amenegana Kamika swane mize sinna nane ba Edana ni bokun zinila no gin tamba Hokulia magana yezo. Dihana no dilala no amenegana amenegana Hokulia magana waymo Dihana no dilala no amenegana amenegana Kamika swane mize sinna nane ba Edana ni bokun zinila no gin tamba Hokulia magana nyeizo 嘛？前面的他的三天一个他了没个脸了。哟哟哟哟，让你没钱嘛？红军的咱的天天没得我一家三帮不带。yo yo yo yo ala sere mama nurkwa ro hagu ba yes fuck kande wo ha kama to hai fote ni ga church gine sa kam da le da foi in ka sai me phone ro kan kam gur ngai sa pui ni ga church gine sa kam shaitan ga ngai je da kan din kon ko ro a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya allah karim da shere ya haram wayango kante nyaka yergo ino gando hego da suru go beka morkun lo gando Wasema zuru danga la serai Look at all, and look you know you're my babe Wakulia magana nyeizo Dihana no dilala no Americana Americana Wakulia magana way more Dihana no dilala no Americana Americana Kamikaze on the mize na nane ifa Edana libor kani zimila no ekin samba Wakulia magana nyeizo Dihana no dilala no Americana Americana Wakulia magana way more Diano Yoni Lalano, Americana, Americana, Yamika, Sonamides in the Naneva, and on the Nigo Krizimi and Lurgan Tamba, Bokulia, Magana, Yezo, Diano Yoni Lalano, Americana, Americana, Bokulia, Magana, way more, Diano Yoni Lalano, Americana, Americana, Yamika, Sonamides in the Naneva, and on the Nigo Krizimi and Lurgan Tamba, Bokulia, Magana, Yezo, Diano Yoni Lalano, Americana, Americana, Bokulia, Magana, way more lalano, I'm in a Ghana, I'm in a Ghana. Kamikaze, enemies, they seem to not name. Hey, down the legal, can see me, and look and chers auditeurs, c'était Borkul Ania Magana de Danili et Mikaza C'est l'heure à présent de notre rubrique Lotti du Desk Pharma du studio Kalangu. Le Lotti évoque l'importance de faire périodiquement la lessive de son linge de maison. Et c'est là pour éviter les conséquences que la poussière et la saleté pourraient engendrer. Samira Rouafi et Recha Arimi. affairage, affairage, affairage. affairage. voisine. Bonjour. voisine, bienvenue voisine. Comment vas-tu Cela fait un bout de temps que je ne t'ai pas vue dans ces parages. Effectivement, j'étais un peu occupée par mon boulot. Mais dis donc toi là, à chaque fois que je viens ici, je te trouve en train de faire ta lessive. Si ce ne sont pas des draps, ce sont des serviettes ou des rideaux. Tu n'as rien d'autre à faire que ça Mais j'entretiens ma maison, c'est tout. Et tu sais que j'aime le propre. Qui n'aime pas le propre Pas toi apparemment. Bref, je voulais juste que tu saches que c'est important de laver son linge fréquemment. Hey, épargne-moi tes histoires là. Tu regardes trop la télé, ma chère. Moi, je fais ma lessive tous les deux mois. Vêtements, serviettes, draps, tout, tout, tout quoi. Et il faut dans deux mois encore. <laughs> Et tu t'es dit coquette. Hmm. Laisse-moi te dire, voisine. Nous vivons en ville et il y a trop de poussière avec plein de particules, jusqu'à dans nos maisons. Et ces poussières peuvent être nuisibles pour notre santé. Mais que veux-tu que je fasse Laver tous les jours mon linge, comme quelqu'un qui a la diarrhée ou qui fait pipi au lit. Je n'ai ni la force ni le temps pour ça, vraiment. C'est pour cela que, si tu as constaté, tous mes draps sont de couleur chaude rouge, violet, orange, on ne voit rien, même s'ils sont sales. <laughs> Kazama, tu veux tromper qui Écoute, les particules de poussière s'accumulent très rapidement et polluent nos maisons. Et attendre trop longtemps avant changer notre linge peut favoriser la prolifération des acariens qui peut provoquer des problèmes respiratoires, voire même des allergies. Allergies Mais c'est sérieux ce que tu me dis là Bien sûr. C'est pourquoi les spécialistes recommandent de laver nos draps tous les 7 à 10 jours parce que les draps et les têtes d'oreiller accumulent des particules de sueur, autres sécrétions de la peau et des tas de cellules mortes. C'est logique en plus ce que tu dis, mais je n'ai jamais pensé à cela. Attends, ce n'est pas fini. Tout ce que je viens de te citer vous causer des irritations ou favoriser l'apparition d'acné sur ton visage. Mais c'est peut-être ce qui est à la base de mes boutons-là. Ah, c'est toi qui connais les niveaux de salissure de ton linge. En faisant la lessive, n'oublie pas tes serviettes. Il faut les laver au moins une fois par semaine. Gassa, toi là vraiment. Je n'ai pas fini encore. Tes rideaux noirs, noirs façon là, qui sont devenus je ne sais quelle couleur, pense à les changer. Deux ou trois fois par an suffit. Voilà, c'est mieux comme ça. Fainéante, va. Donc toi-même, tu reconnais que tu ne fais pas d'efforts pour rendre ta maison propre. Tu veux dire que je suis sale En tout cas, tu n'es pas plus propre et coquette que moi. <laughs> si seulement je pouvais te regarder à travers un microscope. Ne te moque pas de moi. Hein. Et surtout, ne va rien raconter à mes belles-sœurs là. Je vais suivre tes conseils dès ce week-end. Ah, là, tu as intérêt, hein Merci les filles pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en français en fulfulde avec Abdelmouni Niali. Bonjour Niali. Bonjour Marianne. Quel est le mot du jour Le mot du jour aujourd'hui porte sur la crise. Une crise est une situation d'extrême difficulté ou dangereuse. Ce mot a été expliqué en français, en anglais, en germain et en houssa. Aujourd'hui, nous allons l'expliquer en fulfulde. Crise, der fulfulde kan na Lady wawte tawrede misali Lady niger Wakati laamu démocratie jippina jukkol Lady Di enden jukka himbe Himbe, mayri saɗormaji sanne Lumaku leydi di endan wala no wadoro fodde no bankiji tawaɗi nder niger di endan wakka du fa hande en de ceede keƴorɗe yoɓude jobdiji e ko titta de no Labinabi noon laabi en sigilaji waddude ko himɓe mbaawa waɗɗude burna mu'en nder koyirna joɗɗine bandiraɓe hettinaniɓe habaruji niger sur kalangu ɗum mbawi nantinde do kongol crise der faransire e fulfulde min c'est tout pour aujourd'hui on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau ou une nouvelle expression. Inchallah. Bonne continuation, Mariam, bonne continuation. Merci, beaucoup, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un message ou un message vocal ou un, message ou un vocal au 82 89 89 64. Justement, Salamoto, il est temps pour nous d'écouter les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nina son Studio Kalangu, ballantana mara week-end, là in ba studio kalangu ba wa yake yin labarin matasa duk wani matashi na niger in kana sauraron studio kalangu ka ji labarin shi gaskiya ina mamakin mutane wanda ba su sauraron labarin studio kalangu a cikin wanga lokaci labari ne masu mahimmanci ya kamata a rika sauraron su Abdurrahman na Almumun zamani ne nan garin Ciro. Auditor ne ina sauraron Studio Kalangu. Ayi na bisa kan shirye-shiryen Studio Kalangu. Shirin su yana kayatar da mu. Dalilin Studio Kalangu muke ganewa menene ke faruwa duka cikin ƙasar mu. Da radio mu communautaire ce. Bata wuce abin da ya shahi nan cikin gunduman mu da dalilin Studio Kalangu. Wani labari ba sai mun tayi ne ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne Ibrahim Yahya fada 2020 Premier Kasis nan nan Buza. lalle muna matakar horin ciki da wannan dokalangu muna sauraren sosai gaskiya shirye-shiryen da suke yi gaskiya suna katar da mu sosai shirin kiwon lahiya wannan wanda ake yi shi ma gaskiya yana katar da mu sosai da kuma wannan da ake shiga daji ana kwatanta ma mutane ana waye musu kai bisa wasu ta hakan ga gaskiya shirye-shiryen nan suna burge mu sosai muna so gaskiya a dan kara mun dan lokaci bisa wannan shirye-shiryen da ake mana gaskiya suna katar da mu sosai gaskiya nan nan buza kowane lokaci muna bayar ku so da kawa da wannan shirye-shiryen da ake na mahawara nan duk muna sauraron su gaskiya suna katar da mu eh gaskiya abun ana saurara gaskiya billahi eh dan haka muke so gaskiya a dan kara mana dan lokaci dan shi ma mutane don su zan fahimta wasu abubuwa sosai eh gaskiya mun gode eh ina gaida mai gidanmu sanusi eh akwai kuma mai gidanmu bajo duka dai hisbillahi nan buza alhamdulillah ina gaida kuma aboki na ilo mai wanki da ke nan buza suna na mamman lawala andre wanda aka yi sani da magudi a nan garin arlit radio kalangu musamman akwai shirye-shirye da suke yi na sunayen shi da hausa sunayen shi da buzanci wajen harkar zamantakewa na ɗan namiji tsakanin shi da ya mace suna shi da harshen busanci suna shi da harshen hausa wannan musamman yana wayewa mutane kai game da aje in za a aure aje a ɗauki jini a ga menene in kuma zama ma kuke yi da ya mace Allah kiyaye a san irin zaman da ake yi saboda a kare tsakanin juna saboda akwai rashin lafiya da ke ta zamanin da ta yawa wannan yana bin shi sau da kawa yanzu a ni da suka kawo na game da zamantakewar arme tsakanin mace da namiji wani irin zama ne ake yi wanda za a da juna a ga mutuncin juna a zamana kuma lahiya cikin tsare-tsarenta da shirye-shiryenta da take banga na yaddawa ba sunana da abdullahi bubakar anan karce wadata arlit eh, lallai muna sauraron studio kalangu muna musu barka kuma da anniversary kinsu na shekara takwas eh, gaskiya studio kalangu shirye-shiryenta suna kayatar da mu gaskiya ni ba ma iya zaɓe in ce maka ga shirin da ke birgen duka dai duk emission kin da suke yi tunda suna ƙara mu duk emission kin da dai ka aje hankali ka saurara na studio kalangu akwai ka gane ka samu karuwa sama gare shi akwai ci gaba kwarai ma ga na waye ma matasa kai saman sana'a hannu saman shaye-shaye wannan ai akwai ci gaba to mu dai shirin da muke so ta ƙara mishi ƙarfin gwiwa ba shiri ka wannan matasa saman matasa su dage ga neman ba dole ba su ce sai sun dogara ga gwamnati dogara da kansu na biyun kuma shine shi ma saman matasa dai sama harkar shaye-shaye ƙara mana ƙarfin gwiwa ta ƙara sensibilization ana waye ma matasa da kai Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. la fone de police, polisai isteshinaido maganin 'yan banza iska faa la police nationale police eegalte la police nationale shaleen police eegalte bore kanneen safa ayidee kottaa jeerimu bore kanneen safa ayidee kottaa jeerimu zamba buusoo iboon naaga kan zamba buusoo. shi na ga kwai asima san kai na ga ce tontano haisa dan fulani na ga ce na na jodo na ga kwai zauwa zauwa zauwa zauwa zauwa zawwa zawwa amma rana gaba isa na ga ce sai ke tuwal na ga kwai aisha tu na ga ce ruki ga borai zo sire poliso binai me bace na ga kwai Aba Khadija ine ma bacere ni ga koya aga das nai ga koy Usaina Ertel nai ga ce ele banki leila tu leila tu leila Lailatu Lailatu Lailatu Laila Habibu na gaba Transite alasan albor kugo nafisa nay gaba kana joga ni gaba layla nay hijibo kalay mabu aishi tabi eliza nay hijibo kalay mabu aishi hawu managa titilay kan sin da ballanya ce ci ballai zai ballai zai gwandala barka barkan si ba ne irkwai ma daga daga annabai ma daga daga irmo ma daga daga daga daga daga daga kama za sun cere omar salamu managa a daren zai labokin gari a daren zai wani zai wano ga kudi ga iko suna cikin lokacinsu kowan sha da su rabo na bezi kowan sha da su rabo na sahi azizi illo na gace habibu illo na gace lailatu lailatu lailatu lailatu lailatu lailatu alfa dogo alfa urai macana basira iya kano kuda sibu musadi dan gaske ne gace bin kanai ba mano abdullahi cimin gaba mana gane ga koi kuda sibu musadi lamfane raido lamfane isu total sinano total total total total total total laki shisha don ne ga metri jajjate ofisee mana alhaji combi combi combi combi combi combiyano anisa baba manga lettena gamace afisu kunu rashida kurnye habibu chana halima chana. akwai fada fasiyo ne dija sa gaizo rashida mana ganir ga koi. aine salama na gace kofar da ba zai nyamai da da ise dai no ambo nyamai kwata ba, ibon dai na ga kan gaborai gabori jin dai gabu ali magawo borai zo dolaro gaskiya baba ga koy famille ne ga koy mustafa larbasina no abdurrahman gurmane ga je samira belarana mammano rakakakakakaka mutaido rakakakakakaka du sojaido nous sommes au terme de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en de Salamot Kadri et moi-même Maria Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro. La technique était assurée par Amin Hassan, Adam Adawaki et Rel Soumana à l'édition. N'oubliez pas de rester branché à 17h pour suivre nos journaux en 5 langues. Excellente journée à vous. Bye bye.